Il est 18h15 à Niamey sur l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème coopération militaire, quels sont les risques et les avantages Dans un communiqué lu à la télévision nationale le 3 août, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ont dénoncé certains accords militaires signés avec la France. Une façon d'annoncer peut-être la rupture prochaine de la coopération militaire avec Paris. Certains concernent le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Face à l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec euh, cet État, a fait savoir le CNSP. Paris a Réagit vendredi 4 août via son ministère des Affaires étrangères. Elle rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes. Ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît. Avec nos invités, nous allons faire un état des lieux de la coopération militaire étrangère avec le Niger, les risques, les conséquences pour un pays comme le Niger, également confronté à des défis sécuritaires majeurs. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir professeur Zangao Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, également membre du comité Union Tilaberi pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Professeur Zangao Moussa bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le plaisir de recevoir euh, Tahiru Gimba, ancien gendarme, homme politique, président du mouvement démocratique pour euh, le développement et la défense des libertés, modèle Maïkata. Euh, Tahirou Gimba, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, professeur Zangamoussa. Avez-vous une idée à quand euh, remontent les accords de coopération militaire euh, du Niger Merci, je ne suis pas du domaine militaire. <laughs> Surtout, euh, c'est le domaine aussi des politologues. Je vais tout simplement quand même rappeler que notre pays a été une colonie française et que l'ensemble des textes qui ont régi le fonctionnement des institutions a été défini pendant pratiquement cette période, surtout à la veille des indépendances. Et ce sont les mêmes textes qu'on a reconduits pendant la période post-coloniale pour l'essentiel, et que la plupart des accords qui existent et le plus souvent méconnus de l'ensemble des citoyens, ce sont des accords qui ont été conclus pendant cette période où il y avait très peu d'intellectuels, où il y avait très peu d'hommes politiques avertis pour avoir cette curiosité de savoir qu'est-ce qui régit les deux pays dans le domaine de la coopération militaire. Surtout quand on sait que la plupart de nos militaires ont été formés dans le cadre d'une coopération militaire avec la France. L'assistance technique, les conseillers techniques de la plupart de nos dirigeants, pour la plupart au début, étaient également des coopérants français. Donc il faut remonter à une période historique qui est liée à l'évolution de la gestion de notre pays par ce que certains appellent la mère patrie ou la, la puissance colonisatrice. Donc pour moi, c'est à partir de cette période tous les cadres ont été lancés, balisés, et qui aujourd'hui, malheureusement, nous récoltons les conséquences. Et peut-être on reviendra un peu plus tard sur ces aspects. Professeur Zangamoussa, les attaques euh, des groupes armés ont coûté au Niger plusieurs milliers de vies humaines, causé des milliers de déplacés ainsi qu'une aggravation de la pauvreté pendant ce temps, la France a encore 1500 soldats français qui sont actuellement stationnés au Niger dans le cadre, euh, dit-elle, de la lutte antiterroriste comment les Nigériens apprécient-ils euh, l'action des militaires français au Niger euh, C'est là qui fait polémique. Euh, le nombre d'abord, c'est beaucoup, 1500 militaires stationnés quelque part dans notre pays, même si peut-être dispersés au niveau de plusieurs endroits. Mais il faut surtout peut-être parler de l'équipement de ces militaires, même un nombre très réduit, avec l'équipement actuel qui existe dans le monde, et la France fait partie des puissances militaires qui sont reconnues des point de, en tout cas, la production. L'essentiel de l'industrie de l'armement qu'on retrouve sur la planète, il est concentré dans sa production par pratiquement moins de cinq pays. Et parmi ces cinq pays figure la France. Donc la France dispose d'un équipement performant qui peut lui permettre d'être efficace si réellement elle voulait aider nos forces de défense et de sécurité, généralement sous-équipées. Mais cette même France a fait euh, presque 10 ans au Mali, euh, plusieurs années ici au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste, mais malheureusement, beaucoup de voix se sont élevées pour un peu dénoncer le caractère inactif euh, de ces soldats français au Sahel. Mais la France n'est pas venue pour combattre officiellement, et surtout dans la pratique, le terrorisme. Aujourd'hui, ce n'est pas surprenant d'entendre de nombreuses voix qui considèrent que la France est complice aux terroristes. Et ce n'est pas surprenant que ça soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso et même au Nigeria avec Boko Haram. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont dénoncé les connexions qui existent entre le porteur de Boko Haram et certains agents, certains milliers français. Ce n'était pas nouveau. Parce que lorsqu'on remonte à la guerre de Biafra, tout le monde savait quel rôle la France avait joué aussi. Même si, <laughs> malheureusement, la dernière situation montrait le Nigeria porté de manière euh, tout à fait presque insolente à travers son président. Bola euh, euh son président, <laughs> Ahmed Bola, qu'il n'y a rien à faire. Il faut raisonner euh, le Niger, il faut taper sur le Niger, il faut, etc. Mais heureusement qu'il y avait le, peuple, il y avait les populations qui savaient que c'était de mauvaises décisions. Et c'est là qui a rattrapé ce qu'on appelle le club de chefs d'État de la CDAO pour ceux qui s'étaient montrés de manière zélée, de manière excessive, à aller dans le sens de la destruction de l'espace euh, ouest-africain et même de l'Afrique d'une manière générale, parce qu'il y a une guerre qui éclate entre ces pays du Sahel de la côte qu'on a aligné plus ou moins, parce que vous, que vous avez le Nigeria, le Bénin, le la Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais c'est le Sénégal. C'est l'Afrique sahélienne contre l'Afrique côtière. Qu'est-ce qui reste Il ne reste plus rien. C'est la destruction du continent qui est pratiquement de manière inconsciente qui est programmée ainsi à travers certains acteurs que tout le monde connaît. Hors du continent. Euh, qui sont bien sûr hors du continent. Et le nom de la France est suffisamment cité partout. Et je crois que euh, pour, en tout cas, résumer, il est clair que la France a joué un rôle très négatif dans son implication pour ce qui est de la gestion des questions sécuritaires au Mali, au Niger, au Burkina Faso, presque dans tous les pays où la France intervenait, dont le Rwanda. La tragédie de 1994, la France a joué un rôle déterminant là-dedans. C'est pas pour rien du tout. Pendant très longtemps. En Algérie. Euh, en Algérie, ça c'est <laughs> c'est une autre page douloureuse de l'histoire au, de notre Libye. continent, etc. Et la Libye tout récemment, bien sûr parce que la destruction de la Libye, dont les répercussions sont aujourd'hui évidentes dans notre espace, c'est que la France a joué un rôle déterminant là-dessus. Sarkozy est suffisamment cité dans toutes les études de recherche qui ont porté sur le conflit qui a ébranlé, sur le chaos qui a, ébranlé la débit. Merci beaucoup, professeur Moussa, Nous allons revenir vers vous. Le temps de donner la parole à l'homme politique Tahirou Gimba. Pour venir à bout de ces problèmes sécuritaires, le Niger a adopté diverses stratégies, en plus des opérations militaires entreprises sur le terrain, le pays a opté pour un dialogue avec euh, les chefs des groupes armés. Le Niger a aussi sollicité l'aide euh, des forces armées et des puissances étrangères à travers des accords de coopération militaire. Euh, c'est ainsi que les forces françaises, américaines, allemandes sont arrivées dans le pays. Quelle lecture faites-vous au sujet de la coopération militaire étrangère ici au Niger avec ces États Je vous remercie infiniment. Ceci dit, je pense qu'il il faut rappeler les faits et, les contextes également. Vous savez, le Niger, comme tous les pays euh, francophones de sud, sahariens saharien là, ont eu la mauvaise tutelle d'être colonisés par la France. Historiquement, quand vous prenez euh, la France, euh, c'est un pays qui a connu à sa tête Louis XIV, Napoléon et De Gaulle. Au fait, la France, c'est un pays très pauvre. Mais comment expliquer ce paradoxe Je vais vous dire, ils disent que c'est le Niger le dernier de la planète, mais c'est la France le dernier de la planète. La France n'a aucune ressource, ne regarde aucune ressource. minérale, euh, rien du tout. La France fait partie des puissances. Non, euh, c'est des spécialistes dans, la razi... dans les razzias et les crimes organisés. C'est comme ça qu'ils survivent, c'est comme ça qu'ils ont construit la France. C'est tout. Ça s'arrête là, c'est un pays spécialisé dans la razzia moderne la France, c'est pas. Euh, à travers la traite négrière. La traite négrière jusqu'à la, colonisation, après colonisation. En réalité, tout à l'heure, vous parlez des accords de défense à l'indépendance, le professeur en parlait. Mais la France n'a jamais libéré les territoires qu'elle a colonisés. Jamais. En dehors de l'Algérie qui a reçu, qui a eu son indépendance au bout du fusil. Le reste, les Vietnamiens qui l'ont vidé, les Syriens qui, autres qui l'ont vidé. Mais les autres, les, autres peuples arabes ou de l'Afrique noire, colonisés par la France n'ont jamais été indépendants. on a coutume de dire que euh, la liberté s'arrache. Ça s'arrache, mais les Français et eh, ils prennent doucement, doucement, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment où eh, ils vous mettent à terre. Parlez-nous de la coopération. Qu'est-ce que vous pensez de la coopération cette coopération militaire, ce n'était pas, pas, une coopération. Au fait, pour eux, c'est des départements d'outre-mer, nos États-là. Ce n'étaient pas des pays indépendants il faut aller vivre en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou, au, Gabon ou au congo brazza pour s'en rendre compte. La France dirigeait l'Afrique francophone de manière générale sur deux triangles. Il y a l'axe Paris, Abidjan, Dakar, Paris. Donc tous les pays sud-sahariens sont gérés dans cet axe-là, dans ce triangle-là. L'Afrique centrale, c'est l'axe Paris, Libreville, Brazza, Paris. Et c'est un autre triangle. Donc toute l'Afrique centrale est gérée dans ce triangle les, villes dont je, vous ai évoqué tantôt, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, Dakar et Abidjan, ils seront jamais autre chose que. C'est des, des, départements français. La Côte d'Ivoire, c'est un département français. Le Sénégal, c'est pire. mais comment expliquer euh, le, laxisme de, ces pays euh, Non, dans leur tête, ils, ont été, très bien formatés par rapport à nous, les Sahéliens, nous, nous sommes des rebelles parce que les Français nous ont trouvés avec une culture très forte. On avait une culture, les Sahéliens, c'est un conglomérat de culture on a connu des empires, des guerriers, des, gens qui sont battus contre euh, la pénétration coloniale. C'est des massacres qu'il y a eu. Ça, c'était le passé, c'est l'histoire. Même même aujourd'hui, s'ils ont l'occasion, tout le bruit que Macron fait, c'est parce que c'est le Niger qui est la mamelle réelle de la France. Le Burkina a eu un coup d'État, au Mali a eu un coup d'État, en Guinée a eu un coup d'État. On a vidé les Français, leur armement, les ambassadeurs et tout. Mais est-ce que la France a pu bouger Non, ils sont partis. tout, mais ici, tout, récemment, au Gabon, il y a eu un coup d'État. Mais non, ça c'est un coup d'État qu'ils ont préparé. Parce que l'opposant a gagné. Ah en quoi, est-ce que le coup d'État du Gabon est différent de celui du Niger Mais dans leur mentalité, les coups d'État eh, sont à évaluer cas par cas. Le Tchad, le père Déby eh, a été tué de, manière mystérieuse. Et la constitution est là, il y a un parlement et tout. Ils ont piétiné le Parlement et la Constitution. Macron est venu installer, installer le, débit fils. Et non, la transition était euh, de deux ans initialement et que, bon, euh, ils ne doivent pas se présenter. Mais ils ont tout modifié avec euh, un forum au Qatar, à Doha, colmaté par-ci, par-là. Tous les socialistes pro-francophiles, on les a appelés à la rescousse. Les Africains comme les Arabes, c'est tous là-bas comme facilitateurs. Ils ont pris, ils ont déposé ça à N'Djamena. Ça n'a pas marché. Ça, vers la fin, chacun a pris son chemin. Et ils ont consacré maintenant des bifis. On leur a donné un nouveau délai. Il avait eu deux ans, maintenant c'est fini ça là. Maintenant on a mis d'autres deux ans. Ils peuvent se présenter. Mais regarde, après le sommet de la CDAO, la CDAO c'est une caisse de résonance, c'est la France. Rien d'autre, pas plus. Les anglophones, là, les deux pays grands pays anglophones de la le Nigeria et le Ghana, c'est des francophiles et c'est des hommes de main de la France également. Tinubu et Nana Akufo c'est des hommes. Nana Akufo c'est un francophile, il parle français comme, vous et moi. Tinubu avait même de prêter serment dans sa mauvaise élection, mais il était en France à côté de, Macron. Avant de prendre service, il était en France parce que c'est un agent des réseaux. Donc on n'avait pas d'indépendance, c'est un simulacre d'indépendance. Les indépendances n'ont jamais existé. Et la coopération militaire dont vous dites là, c'est pas une coopération militaire, c'est un dictat ou des dictats militaires. C'est ce que le régime militaire de 1914 quand toute attente, 30 jours après l'installation de Seyni moi j'ai fait partie des militaires qui ont participé à ce coup-là. Le, coup d'État de 1914 Oui, et j'ai fait partie de ceux qui les ont accompagnés jusqu'à Kanchari. Le Mbagaji là, c'était le 43 e Bima ou je sais pas quoi. Ils étaient, là-bas, mille et quelques soldats français. Ils sont habitués. Kunche a dit non, pas d'indépendance pour un État avec des bases militaires étrangères sur son sol. Nonobstant cela, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, de chaque État-major d'une force de défense et de sécurité. Il y a toujours un Français conseiller technique ou deux Français qui sont là pour surveiller nos officiers ou qui sont là pour les orienter à, tenter à un pouvoir si, le référent leur pas favorable. Voilà, la, démarche, elle est comme ça. Et nos militaires formés dans des écoles françaises sont formatés également. Il y a des rebelles parmi eux, mais ils sont rapidement neutralisés. Et ceux qui sont de leurs casernes, de les différents états si vous partez à la garde nationale, à la garde vous allez trouver des coopérants français. À la gendarmerie, vous allez les trouver. Au FAN, vous allez les trouver. À l'armée de l'air, vous allez les trouver. Et même à la présidence. Mais bien sûr, ils sont partout. Et, quelle indépendance on a Rien eh du tout. Parce qu'on ne décide même pas de nous. Selon vous, euh, la coopération militaire avec la France en elle-même. Euh, non, ce n'est pas, pas une coopération, c'est un dictat, c'est des dictats. C'est une sommation de dictats. Maintenant, quand Kounche les a fait, les a fait vider en 1974, mais en 77, ils sont revenus avec un autre papier. Encore, on avait plus ou moins des accords de coopération. Mais ce n'était pas des accords proprement parler comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. En réalité, toutes les bases occidentales au Niger, américaines, allemandes, italiennes, françaises, n'ont aucune base légale. C'est une histoire entre Issoufou et eux. Normalement, le problème, c'est ce débat devait passer à l'Assemblée nationale euh, avant de. Il n'y a pas Mais pour, avoir le. C'est pourquoi j'ai dit. Euh, le professeur m'a dit qu'il était député. Mais j'ai dit s'il fait partie de ceux qui ont voté, j'espère qu'il a voté contre, mais tous ceux qui ont voté pour doivent répondre devant l'histoire. Il faut que. Mais est-ce qu'il y a eu débat dans. Il y a eu un a eu parce n'y a, pas eu de. Ils n'ont jamais vu la convention en tant que telle. Ils n'ont jamais vu le document qui dit un accord cadre de coopération militaire avec la France pour faire venir les bases du Mali à ici. Jamais. C'est une DPG rectifiée ou amendée, comment il faut l'appeler, de Oumoudou. Oumoudou n'est plus premier donc c'est fini. On n'a pas besoin de dénoncer puisque c'est dans une DPG les derniers accords là, pour le déplacement du Mali à, ici. C'est dans une DPG que cet accord a été donné. Et le Premier ministre, il n'est plus là, la DPG n'a plus, plus de sens, la Constitution même est suspendue. Donc ça là, les, derniers accords n'ont plus de sens avec la DPG du Premier ministre qui n'est plus le Premier ministre. Donc c'est fini. Et euh, c'est illégal. C'est pas sur une base. Toutes ces bases qui sont là, c'est entre Issou Mohamedou et ces pays-là. Parce que lui, Issou, dans sa tête, je pense que c'est comme ça, pour se prémunir des coups d'État. Il n'a pas besoin de gérer un pays. il suffit d'avoir des alliances. En pagaille, il y a près de 4000 soldats étrangers au Niger, à la date d'aujourd'hui. 4000, dont les 1500 Français, sans compter les coopérants. Il y en a à la police, il y en a partout, un peu partout, ils sont parsemés un peu, dispersés un peu partout. Et tout ça, je crois qu'il faut tout dénoncer. Tout. Parce que si vous voulez réellement aller à l'essentiel, mais 4000 soldats étrangers, équipés de drones, des missiles, des satellites, des radars, tout ce que vous voulez, ces gens-là. Ils savent même quand vous dormez chez vous, ils vous voient. Mais ils sont incapables de voir des terroristes, une colonne de 20 motos euh, avec 20, 40 euh, personnes dessus, puisque 2 2 2 par, moto, équipés de, de machins, ils ne les voient pas. Et souvent, même quand on regarde de très près, quand on regarde très près, souvent, c'est eux qui informent les terroristes. Vous n'avez pas la preuve, oh, oh. président Écoutez, les militaires qui sont là-dedans, là, S'ils ont dénoncé, s'ils ont commencé par dénoncer, tu n'as pas vu, ils sont juste arrivés. La première chose à faire, c'était dénoncer les, accords de défense. Parce qu'ils savent ce que c'est. Et il faut qu'ils aillent plus loin. Il faut sortir de le G5 Sahel. Tout ça, c'est un montage français. Il faut sortir du G5 Sahel comme le Mali. Il faut jeter tous ces papiers-là. Tous ces accords, il faut les mettre vraiment dans un panier, un panier à crabe et puis les laisser partir avec leur affaire. Et qu'ils le veulent ou non, ils vont partir. Ok, merci beaucoup, président Tahir Gimba, euh, professeur Zango Moussa la dénonciation du stationnement du détachement français peut-elle à terme remettre en cause la présence française au Niger Moi, je crois que l'essentiel euh, est déjà entamé. De manière officielle, de manière formelle, les autorités actuelles ont dénoncé ces accords ces accords ne sont plus valables. Donc... Oui, mais pour, la France, euh, euh, ils disent que ces accords-là, seules les autorités légitimes non, peuvent... Non, la France, elle sait, elle sait que ce qu'elle est en train de dire, c'est du mensonge. Elle sait ce qu'elle est en train de dire, que ce n'est pas vrai. Ils le savent. Les populations nigériennes, vous avez suivi euh, les grandes sorties, les grands regroupements. C'est pratiquement unique qui ont été observés sur l'ensemble du territoire national. Les manifestations, la série des manifestations. Oui, bien sûr. Qui ont exigé, qui ont exigé que la base militaire française quitte le Niger. C'est sans ambiguïté. Et ils doivent quitter. Ils doivent quitter. Même si tôt ou tard, ils vont quitter ces Français. Le peuple n'en a plus besoin. L'exécutif n'en a plus besoin. Donc, il n'y a aucune base sur laquelle. Oui, mais comment, comment expliquer ce entêtement à vouloir rester euh, malgré euh, la sommation, malgré l'engagement des, Nigériens Mais, mais, c'est clair qu'ils sont rattrapés par euh, leur contradiction parce qu'il leur arrive de dire qu'ils n'ont pas d'intérêt au Sahel, et précisément au Niger. Et j'ai suivi une intervention de l'ancien président, Bazoum, répéter la même chose. Et je sais qu'il lui-même est conscient que c'est du fou Parce que les intérêts que les, les Occidentaux, précisément la France, a dans l'espace sahélien sont énormes. Non seulement il y a ceux qui exploitent souvent de manière euh, clandestine, il y a ceux qui volent, mais surtout des ressources, ce qu'on appelle les ressources de l'économie de demain, qui pour le moment, selon cas les recherches, ce sont des ressources qu'on retrouve de manière abondante dans les pays du Sahel qu'on n'a pas commencé encore à exploiter. Donc, la France, elle est consciente des enjeux qui sont liés au potentiel minier énergétique qui existe dans ces pays. Elle est consciente que dans son espace, le cousin, l'homme politique a été très clair quand il disait que la France n'a rien chez elle. <laughs> Mais il a raison. Il a raison. Peut-être c'est qu'elle a, elle a formé euh, ses citoyens et ces citoyens, lorsque vous avez un policier français, eh bien, il sait se débrouiller euh, pour défendre les intérêts français. Lorsque vous avez euh, un politicien français, il sait se débrouiller pour défendre les intérêts français. Bref, les ressources humaines leur permettent de faire ce qu'ils sont en train de réaliser ailleurs de manière plus ou moins euh, souvent intelligente. Parce que le fait qu'on continue à exploiter l'Afrique, et surtout certains pays africains, et qui ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'être exploités, relèvent d'une certaine intelligence. Nos hommes politiques, avant d'arriver à occuper le poste de l'exécutif, mais ils sont très informés sur le comportement de, de ces grandes puissances. Il n'y a pas d'amis, c'est une question d'intérêt. Mais dès qu'ils arrivent, ils oublient, ils mettent de côté tout ce qu'ils connaissaient. Bazoum, c'est un syndicaliste, c'est un homme politique il est très informé de la philosophie, de logique française dans nos pays. Mais souvent, quand on écoute son discours, c'est comme cette question que vous avez abordée des terrorisme. Quand il traite nos militaires d'incapables, les terroristes, c'est des hommes aguerris, etc. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et il sait que ça ne se dit pas. Souvent, il est dit pour faire plaisir aux autres. Et ça, je crois que ça fait partie de l'héritage légué par son prédécesseur. Son prédécesseur, tout ce qui est du côté, en tout cas, ce qui c'est comme attente, attente de Nigérien, s'est mis de côté et il s'est occupé exclusivement des attentes des amis de l'extérieur. Toute son image, toute la crédibilité, la fausse crédibilité qu'il s'est forgée, qu'il s'est construite, c'est vraiment la base du faux, juste pour dissuader l'extérieur que tout va bien, que il eh, n'y a pas comme lui. Merci beaucoup, professeur Zango président Tarigimba, euh, Comme au Mali, au Burkina Faso, aux deux pays voisins, théâtre de coup d'État, le coup d'État mené par l'armée nigérienne est intervenu euh, sur fond de ressentiment à l'égard de la France, ancienne puissance euh, coloniale, accusée par certains locaux d'interférer dans les affaires du pays. Comment est-on arrivé là? Comme l'a dit tantôt le euh, professeur Zangaou, euh, c'était clair et net. Issoufou n'a jamais été un président pour les Nigériens. Jamais. Du début jusqu'à la fin. Moi, je fais partie de ceux que l'ont soutenu. Ah, Vous l'avez soutenu Oui, en, 2011, en 2011. Mais à l'évidence des faits, personne ne peut. Tout Nigérien sincère ne peut pas continuer avec Issoufou. Personne. Quand on est sincère avec son pays, quand on aime son pays, nous, nous autres qui avons côtoyé Sainte-Counchie, on ne pouvons pas. Moi, je ne pouvais pas continuer. J'ai été clair avec lui. Il n'y a pas ce qu'il ne m'a pas proposé, mais je lui ai dit non, j'arrête là. Je lui ai dit non, je me suis engagé pour le premier mandat, mais le reste, je ne peux plus continuer ma vie politique ou sociopolitique avec vous. Parce que la tendance était claire et nette. Et c'est comme ça, aujourd'hui, on se réveille un matin, les Français euh, qui sont venus de manière illégale, qui sont installés de manière illégale, même leur DPG rectifié, c'est illégal, tout est illégal. Les Français le savent. Mais les Français avaient et ils ont, et c'est ça qu'ils veulent défendre. Quand ils disent on va intervenir militairement pour, imposer le président Bazoum au Niger, ils savent que ce n'est pas possible, mais ils veulent faire taire Bazoum. C'est eux qui veulent l'enterrer en cas de frappe. Mais le bâtiment là ne connaît pas ce qui va tomber sur leur tête là. Les obus ne connaissent pas Bazoum, ou les militaires qui le gardent, ou la gente qui est au pouvoir. Les obus, quand ils tombent, mais euh, ils peuvent atteindre n'importe qui. Donc, ils ont des contrats individuels avec ce groupe de politiciens. a commencer par Issouf, qui est le père de tout ça. C'est l'histoire de renaissance là. En fait, c'est pour l'enterrement d'une guerre. Ce n'est pas une renaissance. C'est un enterrement. Et tu as bien vu les militaires, à commencer par le général Tchani, qui les a côtoyés 13 ans, côte à côte. il, sait de quoi il s'agit. Et vous voyez, un militaire, tu vas au front, tu perds la plupart de tes soldats parce qu'ils sont même mal armés, mal équipés et ils arrivent quand même à capter quelques, capturer quelques, terroristes. Mhm. Ils les mettent en prison de côte Non, Bazoum dit non, non, non, moi je connais leurs parents biologiques. Je fais discuter avec eux. Ils les reçoivent, enveloppe, patati, repas, dîner. Et chaque fois, les petits, entre patati, patata, on a enterré des jeunes gens souvent qui ne qui sont, pas, mariés. Et ce monsieur, il, il s'arrange à dire que non, non, non, ces terroristes-là sont plus forts, sont plus aguerris que nous quelqu'un qui était euh, un paysan qui est avant-hier qu'on a recruté de la Brousse. qu'on a formé rapidement à l'utilisation d'un A47, ou un, éleveur. Et c'est ceux-là qui sont plus aguerris que des militaires dans le métier des armes. Qui sont formés dans des académies militaires. Non, ils n'ont rien de ces académies de brousse. sous les arbres, ils ont même peur qu'on les, les repère. Et ces gens-là, c'est eux qui sont plus forts. Donc il a fait exprès. Merci beaucoup à tous. On a reçu une courte pause. Professeur Zangamoussa, au Niger, les militaires dénoncent la coopération militaire avec Paris le 4 août passé. La France a réagi à la dénonciation des accords de coopération militaire par les militaires au Niger en soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes étaient en mesure de les rompre. Comment expliquer cette posture de la France C'est la posture de mauvais perdant. Évidemment, il est clair que ces militaires vont partir. Je ne dis pas qu'un jour qu'il n'y aura pas de, négociations pour partir sur des bases euh, d'un partenariat gagnant-gagnant, mais il est clair aujourd'hui, il faut, il faut arrêter. Le Niger a la chance euh, de se retrouver dans une ambiance où d'autres pays avaient fait la même chose, qui ont d'ailleurs manifesté leur solidarité, c'est une chance. Au passage, euh, je crois que pour tous les Nigériens, c'est l'occasion d'exprimer sans cesse leur reconnaissance euh, à nos frères du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et de l'Algérie aussi, qui s'est montré opposé à, toute intervention, à, en tout à, ce que son espace soit, <laughs> soit utilisé. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça isole la France et il faut que la France soit isolée à l'échelle africaine. En tout cas, au niveau du Sahel, cet isolement, il est déjà réel. Air France, elle est où Mais Air France, est une grande entreprise euh, qui compte beaucoup pour la vie, euh, le fonctionnement euh, politique de la France. Mais aujourd'hui, elle a des ressources importantes, malheureusement, qui sont impitées. Du fait que euh, la France a fait ce mauvais pas. Le président français a été très indélicat euh, dans ses déclarations. Vous voyez, euh, évidemment, il a voulu instrumentaliser la CDAO, il l'a fait, mais la CDAO des hommes politiques est différente de la CDAO des peuples. Aujourd'hui, il y a combien de Nigériens qui rentrent tous les jours au Nigeria Ils sont très nombreux. Et pourtant, <laughs> l'homme politique dit embargo combien continuent à aller à la côte Eh bien, les hommes politiques eh, de ces pays, les Bénin, eh, les Ghana, la Côte d'Ivoire, eh, surtout la Côte d'Ivoire, c'est un cas quand même spécial. Quand <laughs> le président Ouattara a ce soi-disant communiqué, mais c'était triffé de mensonges. Vers 17h, moi j'étais à la Sony Bank, j'avais fait un retrait de 500 000, c'est pas quelqu'un qui me dit. Les soirs, je suis la lecture du communiqué par Alassane Ouattara qui dit dans les banques, on ne peut même pas retirer 10 000 francs. Et que le pays est dans l'obscurité. Il n'y a plus d'électricité. Un chef d'État qui dit des choses comme ça, qui se vérifie à la minute près. <laughs> Donc, ce n'est pas surprenant lorsque dans le cadre du processus euh, de la monnaie, tout le monde l'a déclaré traître parce que euh, le même Il a poursuivi le euh, projet, le, le, projet le, projet de la monnaie. tout à fait. C'était pas surprenant Donc, ces gens de dirigeants, je crois que beaucoup d'Africains aujourd'hui ont compris, et surtout du côté des populations, et, euh, je pense qu'ils sont dans leur dernier exercice. Et en tout cas, nous, on a eu le Niger a eu la chance d'avoir des partenaires nouveau, enfin c'est pas nouveau parce que le Mali et le Burkina Faso c'est quand même les mêmes populations, c'est normal que la coopération sur les plans, euh, tous les plans soit une réelle euh, coopération. Euh, c'est pas comme avec certains pays qui ont voulu instrumentaliser cette crise pour s'aimer les désordres, pour s'aimer le chaos dans notre espace. Merci beaucoup, professeur Zango Moussa. Président Taïrou le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a demandé vendredi 25 août le départ de l'ambassadeur euh, de France, euh, Sylvain Ité, dans un délai de 48 heures. Le président français Emmanuel Macron a indiqué lundi que l'ambassadeur de France était toujours en poste à Niamey expliquant que les militaires n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur. Les autorités nigériennes ont-elles les moyens nécessaires suffisants pour euh, le faire partir Absolument, absolument. Vous savez, quand vous suivez un peu Macron, je pense que bon, il n'est pas à la hauteur de la fonction, des charges qu'il assume. La France ne mérite pas cette bassesse. Non, quelle que soit la situation, la France ne méritait pas son comportement. En réalité, quand vous voyez euh, tout ce qu'il dit, ce pas des autorités légitimes, mais euh, tous ces accords, qu'ils soient des défenses, qu'ils soient l'accréditation d'un ambassadeur, ce n'est pas lié à tel type de gouvernement ou tel type de gouvernement. Aujourd'hui, l'Italie, là, c'est une, une extrême droite qui gère l'Italie. Mais parce qu'alors, il y a une, un gouvernement d'extrême droit, donc euh, du coup, tout ce qui est avec l'Italie s'est rompu. Non, ou bien les autorités qui sont là-bas ne sont pas légitimes parce que personne n'aime l'extrémisme droit, l'extrémisme droit. Non, Ils se moquent au fait des gens. Et au fait, ils ne savent même pas ce qu'ils fait. Ils n'ont même pas la taille d'un bon préfet de région en France. Euh, Macron, là, que vous voyez. Mais pourtant, c'est leur président. même eux, il, va finir, il finir par être renversé par un coup d'État. En France, l'histoire des gilets jaunes, là, si ça parce qu'il a maté les gens, il a, il a euh, concassé ça avec violence et tout, mais ils allaient l'emporter. En France, même la France, il peut avoir des coups d'État, des coups d'État civils en France. Parce qu'il va arriver un moment où ils vont censurer et le faire partir. Parce que là, là, les Français en ont marre, ils sont fatigués, eux-mêmes, ils ont compris que le monsieur, il va d'échec en échec, de problème à problème. Il est toujours dans des choses En fait, il ne se contrôle même pas lui-même. Sinon, la légitimité, là, c'est pas... une histoire d'État à État les accords qu'ils ont signés en 77, maintenant c'est les plus anciens, puisque à l'indépendance, il y a eu un bricolage. Sénoukounchi a dénoncé ça. Mais en 77, il y a eu des accords. Sénoukounchi n'était pas élu. Par qui Et est-ce que Sénoukounchi a eu les liesses populaires du, CNSP Non. Il a un soutien ouvert. Aucun homme politique nigérien. Je crois qu'en dehors peut-être des Tanja qui a, euh, depuis la démocratie, qui a fait quand même, il a un charisme certain, il avait un charisme certain, Mais en dehors de lui, je ne pense pas qu'il y ait un homme politique qui puisse euh, fédérer, tous les Nigériens jusqu'à 1 million, 2 millions de la rue hier. Non, c'est lui qui n'est pas légitime. La lui, qui euh, Macron. Macron, n'est pas légitime et j'ai dit que... Mais pourtant, il a gagné des élections en France. il n'a rien gagné. Macron, il est devenu par la mafia, il va partir par la mafia. Macron, il fait partie des mafieux. mafia. Hein. Vous voyez, depuis le départ de Chirac, au fait, en France, il n'y a plus d'homme d'État digne de son nom. Je regrette. Sarkozy, c'est ses problèmes d'argent personnel qui l'ont amené à détruire la Libye. Hollande, il est arrivé en train de chanter au, Mali. Or, ils avaient un plan. Comment nous réoccuper Parce que la France, je vous ai dit, n'a aucune ressource. Tout ce bruit qu'ils font, ils vendent des, trucs, des, centrales nucléaires clés à main à travers le monde à coût des milliards et des milliers, des milliers, de milliards. Mais c'est juste basé sur l'uranium nigérien. Parce que c'est ça qu'ils ont pris. Puisque s'ils achetaient à 25 000 francs le kilo, mais ils ont, la, ils ont la planche à billets de francs CFA. Ils n'ont pas besoin d'aller sur leur compte. pour Ils, impriment, euh, voilà, Charou, ça, qu'on cette ville. Chamalière. Et ils nous envoient, ils disent, voilà vos, 25 000 francs CFA. Mais ils ne vont pas dans les comptes financiers réels de la Trésor français pour le faire. Ils impriment tout de suite, ils mettent dans une caisse, ils nous envoient à la BCAO et ça nous arrive. Et vous pensez que c'est un crime Au fait, pourquoi, pourquoi le cas du Niger dérange tant Macron Macron sait qu'aujourd'hui, sur les trois ampoules françaises allumées là, les deux, tiers, les deux là, dépendent du, l'uranium nigérien, quoi qu'ils disent. Parce que c'est les est il ne l'achète pas. En Azerbaïdjan, il l'achète à 140, 150 000 francs le kilo. On a vu quand j'ai a essayé de, dire non, non, non, moi, l'histoire de 25 000, je ne suis plus dedans. une fois que c'est nettoyé, c'est lavé, l'uranium euh, réel est connu, ma, part de 31%, mais c'est ça de côté. Il a, mis ça, il a mis ça dans un bateau, il l'a amené à New York. Parce qu'il y, a des, il y a des laboratoires de recherche. Tout le monde est sur le nucléaire de la, recherche maintenant. Mais il les a vendus à peu près 187 000 francs 500 le kilo, contre 25 000. Ça fait partie d'un des éléments euh, qui l'ont fait partir. Le pétrole, c'est pareil. Il a défié les Américains. C'était Petronas, c'était une compagnie indonésienne, de, comme ça, là. Mais les capitaux sont américains. Et il a dit à Bush, moi, si Petronas ne vient pas négocier avec moi, dans six mois, je vais renoncer, je vais annuler leur, permis. Or, les Français sont passés par là, ils ont vendu ce permis à X l'autre a vendu, l'autre a vendu, et de les, spéculations euh, financières. Mais quand il, a, il a, vendu son âme il a, pour, pour sortir le pétrole de terre. Donc, eux, ils ont réussi, ils ont vu les richesses apparaître, les nouvelles richesses apparaître, les Français, rapidement, ils, ont, ils avaient leurs hommes. Et c'est le groupe Tarea. Merci beaucoup, Président Taïr Gimba. Professeur Zango Moussa, comment les forces armées nigériennes, maliennes et burkinabées peuvent-elles mieux collaborer et vaincre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières euh, Merci pour cette question pertinente parce que c'est une zone euh, qui a été victime d'un certain complot, euh, complot de régime de faim. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec euh, les nouvelles autorités, euh, leur collaboration avec euh, leurs collègues du Mali et du Burkina Faso, cette question, en tout cas même du côté des populations, font beaucoup d'espoir qu'à travers la mutualisation des efforts, on peut vaincre le terrorisme dans cette zone. Ce n'était pas très compliqué. C'est un espace relativement restreint Lorsque trois États mettent en commun leurs efforts, c'est très facile de les maîtriser, maîtriser tout ce qui se passe dans cet espace. Est-ce que, euh, est-ce que ces trois pays ont quand même les moyens nécessaires pour faire face euh, euh, au terrorisme Ces trois États ont les moyens. Le premier moyen, d'abord, c'est la volonté politique. Tous l'affichent, sont engagés à vaincre le terrorisme dans cet espace le deuxième moyen, euh, qui, sont, qui se trouvent dans la mutualisation euh, de leur équipement, de leur force de défense et de sécurité, eh bien, ça fait beaucoup de moyens euh, dans ces cadres. je sais, quand les Burkinabés pourchassaient les terroristes du côté de la zone du Sahel, mais ils se réfugient du côté du Niger, du côté du Mali, quand ils traversaient le plus souvent, ils se retrouvaient aussi du côté du Niger. Aujourd'hui, lorsque le Niger oriente ses efforts pour leur empêcher d'occuper euh, cet espace-là qu'ils ont l'habitude d'occuper, les Mali engagent les mêmes processus, les Burkina engagent les mêmes processus, eh bien, ils vont être coincés et ils vont disparaître surtout quand même avec euh, les nouvelles technologies, les nouveaux partenariats euh, avec certaines puissances euh, dans ce domaine. les terroristes, ils ont peur, on ne le sait pas, mais en tout cas, si vous écoutez les populations qu'ils traversent, dès qu'ils voient un drone survoler, c'est la grande panique à l'air nouveau. Mais il faut utiliser ces, ces drones. Il faut utiliser ces drones, on est capable de résoudre ce problème-là beaucoup plus rapidement, sans même qu'il ait des dégâts du côté de nos forces de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, la guerre classique à travers les matériels habituels, les véhicules, vous avez 40, 50 véhicules qui se suivent, mais en fait, ce n'est plus efficace, surtout sur un terrain à relief très difficile. Alors qu'avec un drone, c'est beaucoup plus facile de désorganiser un adversaire qui est sur moto, qui est, du point de vue de l'équipement, c'est un équipement qui, ne préoccupe pas, parce que c'est l'équipement habituel. Il suffit tout simplement d'empêcher à ce que le complice, le complice aujourd'hui on le connaît, il faut leur empêcher l'approvisionnement, les voies d'approvisionnement. Si on les empêche, c'est très facile. Merci beaucoup, professeur Zangamoussa. Président Tarugimba, on voit à travers les manifestations, beaucoup utilisent les drapeaux russes et autres. Faut-il chasser la France pour ramener les Russes non, je pense que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Seulement, il, faut, il fallait défier un peu les Français. Et nous avons une coopération très ancienne avec la Russie, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, comme l'a dit le professeur Zangaou, nous avons l'adhésion des autres pays frères, le Mali et le Burkina, avec lesquels nous partageons tout, les populations, les réalités socio-culturelles, tout. Et les trois frontières. Donc, si vous voyez les mêmes Français si on fouille beaucoup dans l'histoire de la création de l'autorité de l'Iptako gourmand ils savent exactement les richesses, l'immensité, la teneur des richesses qui se trouvent dans la zone. Ils le savent. Et quand on crée des organisations, on pense que ah non, c'est pas nous. Souvent, l'initiative est prise ailleurs, c'est pour encadrer. En réalité, même s'ils si, arrivent à créer un micro-État, l'Iptako gourmand ça les arrange. En réalité, le Niger, compte tenu de ses richesses et l'immensité du territoire, les projets français sont de fragmenter le Niger en plusieurs micro-États, trois ou quatre. Comme le projet MNLA au Mali. Oui, puisque eh, on vous dit l'Azawak, ça existe au Mali, ça existe, au Niger. Et qu'est-ce qui va se passer de là les Tilaberi, les Ayuru, les Filengue, les tout ça là. Karma, peut-être Kolo, il serait un peu épargné. Mais <laughs> je crois que jusqu'au là où il y a de l'or, en tout cas, ils vont les mettre et le pétrole de Filengue là, et tout ils vont tous les annexer à, Kidal et la capitale sera là-bas. Pour que y a moins de, y a moins de personnes et les Français vont consommer ça à l'aise. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir euh, professeur Zango Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey également, membre du comité Union Tilaberi pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale et président Antahiru Gimba, ancien militaire, homme politique, président du mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, modèle Maekata. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Distudio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Abdelkader Tchombiano et à la réalisation Issa Lawali. Merci, au revoir.